la baisse euh, du niveau sur le fleuve Niger est flagrante. L'année dernière, par exemple, nous, à notre niveau, on a sonné l'alerte parce que au rythme où la décrue se prononce, il est fort possible qu'on puisse traverser le fleuve à pied à Bamako. Mais nous, nous avons une chance euh, au Mali. Le barrage de Sélengue est un soutien fort pour les étiages euh, au Mali ce qui permet quand même d'éviter que le fleuve soit coupé par endroit. Quel est l'impact de ce retrait des eaux sur euh, les cultures qui se font, sur les berges Quand nous constatons que les débits sont faibles, on demande aux usagers de revoir leurs ambitions pour que leurs besoins puissent être satisfaits. Il arrive très souvent qu'on alerte euh, l'Office du Niger par rapport à la mise en place de certaines cultures de contre-saison. Donc on revoit la baisse et les superficies cultivées pendant la période de décrypte. Donc euh, en fonction de la disponibilité, les gens mettent les cultures en place. Il en est de même pour euh, les zones de pêche et aussi les zones euh, d'élevage. Aussi, pour ces cultures-là, en saison de pluie, vu l'envasement, l'ensablement, il y a des cultures qui sont inondées. Vous savez, l'hydrologie, c'est un domaine extrêmement complexe. Il est impératif que certains dispositifs soient mis en place. L'inondation des cultures, on le sent surtout dans les zones non aménagées. Il va de soi que les digues traditionnelles rompent, mais là où les digues ont été calées à des côtes euh, requises, par rapport aux, crues exceptionnelles, là, il n'y a pas d'inondation. Ceux qui exploitent ces endroits-là, est-ce qu'ils sont informés à chaque fois que ces situations-là se présentent Le cas des zones non aménagées, il y a ce qu'on appelle euh, l'irrigation d'appoint. C'est-à-dire, euh, il faut anticiper sur euh, les pluies parce que difficilement la conjonction pluviométrie crue se fait à la faveur des cultivateurs. Donc, il faut mettre un dispositif d'anticipation pour arroser les semis avant la crue. Ainsi, quand la crue s'annonce euh, avec euh, les digues traditionnels, euh, il inonde petit à petit et la parcelle. avant que la crue n'atteigne un niveau de menace, le riz aussi aura atteint un bon niveau végétatif, lui permettant de résister par lui-même à l'inondation.